forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 15 minutes à Niamey et à Bamako. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de nos radios partenaires. La thématique du jour est lutte contre l'esclavage au Sahel. Où en sommes-nous Avec euh, nos invités, nous allons faire un état des lieux de, de l'esclavage au Sahel, les conséquences et les synergies d'action possibles pour l'éradication de ce phénomène des sociétés. Nous avons donc le plaisir de recevoir Ali Bouzou, secrétaire général de l'association Timidiria, une association qui lutte contre l'esclavage au Niger et secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage. Ali Bouzou, bonsoir. Bonsoir. Au téléphone depuis Bamako, Ibrahim Aga Ed Baltanat, il est le président d'honneur de l'association Temet, une association qui lutte contre l'esclavage au Mali. Ibrahim Aga Ed Baltanat, bonsoir. Bonsoir. Et Moussa Mahaman, juriste, chef divisionnaire à la Commission nationale des droits humains, CNDH, au Niger. Moussa Mahaman, bonsoir. Bonsoir. Monsieur. Au microphone, Mokhtar Hamadou et Ibrahim Haran Diallo. Ali Bouzou, comment définir l'esclavage et comment votre association Timidria aborde-t-elle les questions liées à l'esclavage Ok, merci euh, de nous avoir donné quand même la parole pour euh, un peu informer ou sensibiliser les gens sur euh, la question de l'esclavage et ce que nous faisons soit au Niger ou euh, dans le Sahel. Donc, nous, nous avons défini l'esclavage au Niger sous trois formes. Donc, il y a la forme active où l'esclave et tout ce qu'il a sont la propriété du maître. Ça, c'est des cas d'esclavage qu'on retrouve chez généralement les nomades, les Touaregs, les Arabes et les Toubous, dans les régions de Nord Tilaberi, Tawa, Agadez, Zender et, même Difa. Donc il y a l'esclavage passif ou qu'on appelle esclavage par ascendance. Je vous l'ai dit, euh, parfois tu peux même pas savoir que tu es esclave. Il va falloir euh, aller dans certaines cérémonies, mariage ou, élection ou question d'héritage pour te rappeler ton origine servile. Et à l'autre forme euh, qui est la forme euh, contemporaine de l'esclavage, la traite des personnes. Nous avons identifié une zone dans la région Tawa où s'est pratiqué le phénomène de la wahaya, qui est une forme de mariage déguisé Comment euh, ça se présente dans les autres pays du Sahel, puisque vous êtes euh, le secrétaire exécutif euh, du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage Bon, je voudrais ici préciser que tous les pays, en tout cas du G5 Sahel, ont presque la même particularité sur la question de l'esclavage. Quand vous prenez ce qui se passe au Niger, c'est ça qui se passe au Mali, c'est ça qui se passe au Burkina Faso, au nord, c'est ça qui se passe aussi en Mauritanie. Donc, mais le grand problème qu'on a, c'est qu'il y a des pays, par exemple le Mali et le Burkina Faso, qui n'ont pas ratifié, qui n'ont pas pris une loi qui criminalise l'esclavage. Et du coup, ça là, je pense que c'est une idéologie, soit de préserver ou bien de reproduction de l'esclavage. Vous faites allusion au manque de volonté politique. Oui, parce que même dans les pays, par exemple, dans tous les pays là, c'est au Niger et qu'il y a presque toutes les lois sont ratifiées, mais malheureusement l'application elle est timide. Justement, M. Bouzou, parlant de la criminalisation justement du phénomène, on sait qu'au Niger déjà il y a une loi qui a été votée depuis 2003. Oui. Alors 16 ans après l'adoption de ce, cette loi, est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent L'application est timide. Ça veut dire si je dis elle est timide, mon cher, ça n'avance pas, puisque de 2003 à maintenant, il n'y a pas plus de 4 cas réellement qui ont été jugés. Et d'ailleurs, il y a plus de, il y a plus, je vous l'ai dit, on a un avocat qui est là depuis 2003 et on a plus de, plus de 70 dossiers qui sont devant les tribunaux encore. je vous donne un exemple. On a un cas d'esclavage actif. C'est, l'affaire s'est passée ici à Niamey en 2018-2019 là, où juste pour demander aux au, juges de, de, faire le programme de jugement, Jusqu'à présent, le juge d'instruction n'a pas ordonné ça. Et c'est une affaire qui est là. Il y a eu toute l'enquête de la police judiciaire. Les procureurs de la République avaient mais juste programmé l'affaire. Vous voyez, de, 2018 à aujourd'hui, programmer un cas d'esclavage, c'est vraiment grave. Ça n'a pas été fait. Donc, c'est grave, quoi. Et d'ailleurs, même toutes les autres affaires, quand vous prenez, s'il y a une affaire devant les tribunaux qui concerne l'esclavage, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Ça prend plusieurs années plusieurs années pour juge. On a des dossiers de 2002 qui sont encore là. Mais quand vous prenez d'autres dossiers banals ou quoi, c'est à moins de deux jours, une semaine, on programme, on juge. Donc, ça, malheureusement, ça se passe partout dans les G5 Sahel. Et je crois que ça ne surprend pas. Selon vous, Ali Bouzou, les textes euh, dans nos pays sont insuffisants Je ne peux pas dire insuffisants. Il faut d'abord appliquer. Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de textes et sans application. Ça ne sert à rien de réviser les textes tant qu'on n'a pas appliqué. Si on veut réviser les textes, il faut appliquer. Maintenant, c'est en appliquant qu'on va savoir, qu'on va identifier les insuffisances ou pas. Donc c'est ça. Euh, depuis Bamako, Ibrahim, où en sommes-nous au sujet de la lutte contre l'esclavage au Mali La lutte contre l'esclavage au Mali, où, où nous en sommes, on est pour l'instant euh, c'est les, quelques organisations de la société civile sont en train de se débattre pour, euh, pour faire prendre conscience aux décideurs euh, pour que la pratique même ne soit plus un déni, pour que, pour que l'esclavage ne soit plus un déni au Mali. Parce qu'au Mali, jusqu'ici, il y a déni d'esclavage. Donc la lutte est à ce niveau. Et, donc, euh, en gros, c'est ça la lutte en ce moment. C'est le plaidoyer pour que les autorités acceptent qu'il y ait tel bien, que l'esclavage persiste, pour que les Maliens prennent conscience, les cadres maliens, la société civile malienne, pour qu'elle prenne conscience de son devoir de lutter pour éradiquer la pratique de, l'esclavage. Voilà, c'est là qu'on est en ce moment. Ibrahim, quelles sont les difficultés auxquelles les organisations anti-esclavagistes euh, sont confrontées au Mali Les difficultés, c'est que face, euh, face aux autorités, on a un mur, un déni, un déni total un déni de la persistance de l'esclavage. Ça, c'est une difficulté. Les, décideurs ont honte d'accepter que l'esclavage est une réalité. Notre difficulté, c'est qu'au sein de certaines populations, elles assimilent l'esclavage aux coutumes. Au coutumes, bon, ça, c'est les esclavagistes qui les, qui les soutiennent, quoi. Ils disent, bon, c'est notre coutume, on est comme ça, on est comme ça. L'autre difficulté également, c'est les moyens, les moyens de lutte euh, parce que ce travail de lutte contre l'esclavage, la première organisation qui a commencé à en parler ouvertement au Mali, c'était net en 2006. Euh, donc, euh, on a besoin que ce soit un travail d'ensemble mené par plusieurs. les difficultés qu'on rencontre, c'est essentiellement ça. Oui. Et la non-prise c'est le fait que l'État dénie, le fait qu'on n'a pas de, de loi qui criminalise la, pratique de l'esclavage. Et puis le fait aussi que l'abolition de l'esclavage même, elle est, coloniale, elle n'est pas malienne. Ce n'est pas le Mali qui a aboli l'esclavage, c'est le colonisateur. Ce qui fait que euh, l'esclavage c'est une pratique courante. C'est comme l'air qu'on respire. C'est banal. Alors, euh, Ibrahim, Ibrahim, Oui, Ibrahim, selon certains observateurs, une frange importante de certaines de ces victimes de domination ou d'exploitation, d'exclusion ou même d'autres formes de, de, discrimination liées à l'esclavage reste encore silencieuse. Alors, comment vous l'expliquez Oui, <clears throat> elle reste silencieuse. Je l'explique toujours par par le manque de volonté des autorités, les, parce que le pouvoir, le pouvoir c'est l'autorité. Quand l'autorité manque euh, de volonté, elle se fait complice de ceux qui pratiquent euh, des, esclavagistes. Alors les gens vont rester silencieux parce que ils ont même honte de, ils ont même honte de, de s'afficher, de s'afficher parce que c'est l'esclave, euh, l'esclave, il n'y a rien de bon, de bien dans l'esclave. L'esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas digne. L'esclave, c'est une personne qui est comme un bien matériel. Et donc, euh, donc si s'il y a un déni par le pouvoir, les gens vont se cacher. Et puis, également, si euh, souvent on se cache, parce que lorsque la société découvre qu'il y a d'ascendance esclave, alors tu, n'as plus de considération. Voilà les raisons pour lesquelles euh, une majorité est silencieuse. Effectivement, une majorité est très silencieuse pour ces raisons. Ibrahim, depuis 2010, un projet de loi peine à être adopté au Mali. Quelles sont les raisons de ce blocage Ah oui, les raisons, c'est ça, c'est le manque de volonté. Et puis les raisons, moi j'ai toujours dit que ça que vous, n'avez pas été satisfait des récentes euh, interventions du ministère de la Justice hein, par rapport à la situation des oui. Le ministre quand même a prêté euh, secours aux victimes. Hein. Le ministre de la Justice actuel du Mali, ça c'est moi, c'est quelqu'un auquel j'ai fait totalement confiance et qui est courageux. Mais c'est le ministre seulement. Il y a l'État tout autour. Si l'État faisait ça son problème, ça va finir. Mais le ministre actuel, que Dieu prolonge sa vie, qu'il soit, qu'il ait une longue vie, parce que c'est, un combattant. Je l'ai connu avant même qu'il soit ministre. Et puis, il reste dans cette logique. Mais ce n'est pas lui l'État. Mais d'accord, l'État, il est ministre. Même moi, je suis une partie de l'État. Parce que chaque citoyen est une partie de l'État. Mais il y a ceux qui sont aux commandes. et qui sont aux commandes encouragent la persistance de l'esclavage. Alors, Ibrahim, restez en ligne, l'état de donner la parole à Maïmoussa. Maïmoussa Mahaman, quels sont les textes et instruments juridiques nationaux et internationaux ratifiés par nos États au sujet de la lutte contre l'esclavage mm, Merci de me donner la parole pour euh, me prononcer par rapport aux instruments juridiques qui sont ratifiés par le Niger euh, dans ce domaine il faut d'abord retenir que le Niger a initié des mesures euh, pour améliorer son cadre juridique national en rapport avec la pratique de l'esclavage depuis 1999, euh, une commission des réformes des textes juridiques qui a entre autres examiné la question de l'esclavage, des mutilations génitales, du harcèlement sexuel, pour ne citer que cela, ces réformes ont concerné le code pénal et le code de procédure pénale qui, il faut le rappeler, date de 1961. C'est une loi de numéro, la loi numéro 101 027 du 15 juillet 101 portant sion du code pénal qui a été modifié donc pour euh, être euh, examiné, et adoptée et donner une loi en 2003 par un vote, euh, il faut le reconnaître, euh, à l'unanimité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc euh, l'adoption pour la première fois d'une nouvelle loi qui criminalise l'esclavage constitue, à notre niveau, à, mon sens, un progrès, un grand progrès pour la démocratie nigérienne. Avant, on n'en parlait pas, mais aujourd'hui, on a des lois, même si certains acteurs de, la, qui luttent dans ce sens ne veulent pas reconnaître qu'il y a eu ce progrès. Il faut reconnaître qu'en criminalisant euh, déjà l'esclavage au Niger, c'est un progrès. Ça veut dire que l'autorité reconnaît que ces pratiques existent. C'est un pas de gagner. Oui, mais au regard de ce que les, les associations contre l'esclavage disent, ça veut dire qu'en euh, en pratique, il n'y a pas, d'effet positif. Le problème, c'est qu'il est général il est général, il ne concerne pas seulement le domaine de l'esclavage. La lenteur judiciaire, c'est une donne en Afrique. Dans tous les domaines, les dossiers n'avancent pas. Et c'est lié au système euh, judiciaire que nous avons. On n'a pas beaucoup de magistrats, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire marcher la justice. C'est, donc moi, je ne lis pas lis pas ce problème en termes de cas de, déjà jugé. Mais je pense que le problème doit être situé au niveau, surtout, de la lenteur admise. On a combien de juges pour, on a un juge pour combien d'habitants au Niger? Il faut voir les statistiques. Mais par rapport à cela, je crois que l'État fait tout pour euh, pallier à ce problème parce que au dernier recrutement même, il y a 50 qui vont, qui ont récemment prêté serment. 50 euh, magistrats. Donc c'est dans ce sens qu'il faut voir le problème. Un seul juge pour euh, euh, soixante 60 000 habitants, ça ne peut pas aller. Maïmoussa Moussa la constitution du Niger réaffirme le droit des citoyens d'être libre de toute forme d'esclavage mhm. et consacre le principe d'égalité devant la loi sans discrimination de sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique mhm. ou religieuse. Comment expliquer la persistance du phénomène au Niger Elle est, euh, sur ce plan, je dirais qu'elle est, il y a une certaine complicité qui ne dit pas son nom. Il y a une classe intellectuelle qui est d'ailleurs issue quelque part de ces milieux et qui ne veut pas que les choses redeviennent, euh, euh, que les choses changent. Ils ont, quel intérêt, en tout cas, ces, catégories de personnes L'intérêt, c'est que euh, la, plupart sont issus de chefferies traditionnelles. Ils ne peuvent pas aller à l'encontre des pratiques qui existent depuis la nuit des temps. Pour eux, quand on va renverser la situation, les choses risquent de tourner mal en leur faveur. C'est surtout ça qu'il faut voir. Il y a beaucoup d'intellectuels qui reconnaissent qui, un intellectuel qui se permet de dire que l'esclavage a un contenu culturel au Niger. Il est évident que chez cette personne, il n'existe aucune volonté d'y mettre fin. Quand vous donnez un caractère culturel à quelque chose, c'est que vous dites que c'est quelque chose qui doit être. Pourtant, on a vu que plusieurs euh, mots dans, notre société ont été éradiqués, qui avaient pourtant des contenus culturels. Je prends l'exemple de l'excision. Aujourd'hui, on n'en parle presque pas parce que il faut reconnaître que les luttes ont permis d'y mettre fin euh, dans plusieurs sociétés. Donc quand un intellectuel se permet de dire que l'esclavage a un caractère, a un contenu culturel et que on ne peut pas y mettre fin, c'est quelque chose qui doit être comme ça, c'est comme ça, euh, je me demande bien, euh, est-ce que là on peut parler d'une volonté euh, d'y mettre fin Monsieur Bouzou, je me retourne encore vers vous. Et ici au Niger, quelles sont les différentes formes de manifestation de l'esclavage au Niger Ok, je voudrais un peu d'abord réagir à ce que euh, Maï a dit. En fait, je voudrais préciser quelque chose. Nous, on n'a pas dit l'existence de la loi n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, si la loi a existé, c'est grâce à notre plaidoyer. Quand la commission même faisait allusion, quand elle a été créée, c'est Temudria qui a été appelé pour expliquer c'est quoi l'esclavage et la persistance. Donc Temudria était parti, elle a expliqué. Et le président de cette commission à l'époque est actuellement l'avocat de Temudria. Donc, c'est, ça veut dire, nous, on a dit, en fait, l'existence des lois au Niger, c'est le pays le plus avancé de tout G5 Sahel. Mais nous, on veut aller à l'application, puisqu'on a déjà l'arsenal qui est là. Donc, il faut aller à l'application. Les raisons qui ont été invoquées par euh, Maï Moussa ne vous, ne vous convainc pas quand il dit qu'il y a un problème de moyens hein, à la disposition de l'État, notamment il a pas problème la de... justice. non, même oui, je l'ai écouté dit la question de l'intercession générale ou quoi. Non, le cas d'esclavage, il n'a qu'à me dire un seul cas d'esclavage qui a été jugé durant 10 ans. Il n'y a pas, si ce pas la récente affaire de Dakoro, là. Il n'y a pas. Même le premier cas qui a été amené, le monsieur, quand il a. C'était même avant la loi, avant l'existence de la loi en 1998, quand le juge, à l'époque, à Baraden, a jugé le chef esclavagiste mais les jours où il a rendu son verdict, c'est les mêmes jours là qu'on l'a affecté de Tchintabaraden. Donc voilà, ça c'est un. Deuxièmement, et si on l'affecte à ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas continuer à faire le travail, c'est ça, non Et deuxièmement encore, la dame Fodi, plutôt Khadija Toumani, mmh, elle a été condamnée même par la justice, malgré l'existence de la loi. Alors, alors, alors euh, ce que vous reconnaissez justement, ce que euh, Bouzou vient de dire. Ce que Bouzou vient de dire est tout à fait vrai. C'est pas là le problème, mais je crois qu'il n'a pas saisi ce que moi je voulais euh, en fait euh, insinuer. Je dis pas que l'esclavage, j'ai été témoin, on a fait des missions conjointes avec Bouzou. Moi, j'ai été sur le terrain. J'ai vu euh, avec mes propres yeux ce qui se passe dans le triangle, ce qu'ils appellent le, triangle de la honte, par exemple. J'ai vu des femmes, j'ai vu les instruments qui sont des, utilisé contre ces femmes. Je suis témoin. Mais ce que je dis, je dis il y a un système de l'appareil judiciaire. Quand vous partez, aujourd'hui, si vous avez, il y a des affaires civiles qui n'ont pas été jugées depuis quand, qui traînent à la justice. Donc, je ne dis pas que il n'y a pas de cas. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, la CNDH a, toujours fait des recommandations. La CNDH a toujours soutenu Timidiria dans ce qu'ils font. D'accord, c'est bien noté. Donc, M. Ali Bouzou, vous avez la parole par rapport aux, différentes formes de manifestation. J'arrive. Et par rapport au, juge, vous savez, le problème de l'esclavage, là, au Niger, il y avait toutes les lois, mais c'est tabou. Les gens ne veulent pas en parler. Les juges eux-mêmes, on a fait plusieurs formations, avec plusieurs réunions. Certains disent qu'ils ne connaissent, en fait, ils ne connaissent même pas l'existence de cette loi-là dans le code de procédure pénale, qui est là depuis 2003. Et tu vas avoir un juge qui va te dire, lui, il n'a pas connaissance de ça. Comment il va faire Ça, c'est un. Moi, j'ai écouté, j'ai entendu des juges qui ont dit que l'esclavage a un contenu culturel. Ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Et c'est pour cela, toujours, on essaie d'intensifier des formations à l'endroit des juges pour les faire comprendre cette loi-là. Mais si une loi qui existe depuis 2003, aujourd'hui on est en 2020, et qu'un juge dit qu'il n'a pas connaissance de cette loi-là, c'est un problème. C'est un problème. Mais Moussa Mahaman, quelles sont les voies de recours possibles pour les victimes Il existe plusieurs voies de recours. Mais seulement, ce qu'il faut reconnaître, c'est, nous sommes au Niger, il faut reconnaître qu'il y a un problème. Euh, les victimes, souvent, ne savent pas à qui s'adresser. Timidria est en train de faire beaucoup de choses dans ce domaine, je, je, je les en félicite. Ils sont en train d'aider beaucoup à à recouvrer leurs droits au niveau de la justice. Ils ont un avocat. Chaque cas qu'ils trouvent, ils le suivent euh, comme cela se doit, comme si la euh, euh, le problème était un problème de timidité. La CNDH, par exemple, est habilitée à recevoir des plaintes. Mais les gens ne vont pas à la CNDH. Les gens ne s'intéressent pas. Et le véritable problème, c'est quoi C'est que vous allez trouver des victimes qui se plaisent d'être esclaves, qui pensent que, ont peur de, d'affronter, en fait, l'avenir. Vous direz qu'ils sont complaisants Bien sûr, sans le maître, qu'est-ce que je deviendrai demain et pour cela, je pense que c'est un programme de développement qu'il faut, c'est une éducation, c'est des sensibilisations qu'il faut mener. À la justice, on reçoit des plaintes, mais c'est des gens généralement qui ne se plaignent pas. Alors, euh, Ibrahim, vous, vous êtes avec nous Oui. Alors, euh, au cours de votre intervention, vous avez dénoncé quand même euh, la volonté politique au niveau de, l'État du Mali. Alors, euh, vous avez certainement écouté vos collègues du Niger, notamment Ali Bouzou, qui, a, qui est revenu sur le même problème, la volonté, la question du manque de volonté politique. Alors, ça veut dire qu'il a le, problème se trouve au niveau de ces, des pays, sinon même l'ensemble des pays du Sahel. Alors, quelles sont les possibilités de synergie, en, termes, des possibilités en termes de synergie d'action justement entre les différentes associations de lutte contre l'esclavage au niveau des cet espace Oui, les, possibilités, c'est déjà une approche euh, sur laquelle on se trouve. Il s'agit de consolider cette approche. Ces, organisations appartiennent tous à, un cadre qu'on avait créé, le cadre G5 Sahel esclavage, on a, parlé de ça. il s'agit de, rendre ça vraiment fonctionnel de, consolider cet aspect parce que l'esclavage étant l'institution la plus vieille du monde, combattre, combattre une telle pratique, c'est raciner des montagnes, ce qui fait qu'on a besoin d'être de se donner la main, d'être solidaire et aussi euh, d'avoir comme partenaire privilégié euh, la presse au niveau de cet espace qui doit accompagner, qui doit, qui, doit vraiment, parce que la presse est une arme très importante. C'est le lieu pour moi de, de, vous remercier pour l'organisation de, de, cet échange-là, qui je suis sûr déjà ne, ne restera pas sans avoir de l'impact. Donc il s'agit pour nous de consolider le cadre existant et puis de pousser des acteurs comme euh, les acteurs de la presse à, se joindre à nous dans une telle initiative et de, créer aussi un réseau de presse euh, qui lutte contre l'esclavage, parce que l'esclavage, c'est vrai, mettre euh, lutte contre l'esclavage, maîtres lutte contre l'esclavage, mais la, les chemins d'esclavage, ce n'est pas c'est tous les c'est tous les Maliens, c'est tous les Nigériens, c'est tous les Sahéliens, qui doivent, qui, doivent combattre euh, un tel flux ou euh, euh, quelque chose qui n'honore pas, qui n'honore pas l'Africain. Quand je pense à tout ce qui s'est passé, l'Africain, n'importe qui doit s'adonner à cette pratique sauf un Africain. Ibrahim, parlant des synergies d'action, on sait qu'il y a une autre association euh, internationale qui se trouve au Mali, qui se trouve aussi dans beaucoup de pays du Sahel, notamment la Gambie, euh, le Sénégal, hein, la Mauritanie, qui s'appelle euh, Gambana. Est-ce que vous avez des, actions communes hein, avec cette association en termes de lutte contre le phénomène Oui, Gambana, on a des actions communes. Toutes les actions, toutes les actions de Gambana au Mali, c'est des actions qui sont passées au travers de ténèbres tellement on est euh, en relation. C'est Temet qui a déclenché. Et euh, tout ce qu'ils font, euh, même par exemple aujourd'hui, au moment où je parle, il y a une mission de Temet dans la région du CAI. On collabore, on collabore très bien avec Gamala. Alors, Ibrahim, une Afrique sans discrimination est-elle possible Une Afrique sans discrimination, moi je ne sais pas, est-elle possible Il faut qu'elle soit qu'elle soit, parce que les nouvelles générations, ou les générations présentes, doivent se donner la main pour que, pour que, pour que l'Afrique soit sans discrimination. Et ce qui est aberrant, ce qui aberrant, c'est qu'on accuse les autres de, les autres de, de nous traiter, de nous d'avoir un regard hautain, de nous traiter de, comme, comme des esclaves, alors que entre nous, on se traite euh, certaines certains fois des autres des esclaves. C'est une aberration. Alors ça, ça doit s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas aller vers le développement, on ne peut pas amorcer le développement socio-économique tant que ça persiste. Les gens sont en train de se lirer. Tant que certains sont capables de dire à d'autres, euh, euh, vous, êtes mes esclaves ou bien de dire tout simplement que j'ai des esclaves, ou bien de dire tout simplement moi je suis noble. Vous voyez, c'est de la diversion par rapport à ce qu'il faut pour le développement socio-économique. Merci Ibrahim. Euh, que donc du Mali, on va revenir au Niger. Euh, euh Maï est-ce que les sanctions contre, les, sanctions contre l'esclavage au Niger ici sont efficaces si les sanctions sont Est-ce que les textes prévoient des sanctions Bien sûr que les textes prévoient des sanctions. Puisque, merci de me recadrer la question parce que, en fait, les textes sont très clairs, sont assez clairs. On a tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Mais c'est comme l'a dit Bouzou, c'est dans la pratique que se pose le problème. c'est pourquoi je demande si, si, si, si, si la sanction, je dirais qu'elle n'est pas efficace parce que nous, à l'issue de plusieurs euh, missions d'investigation, nous avons toujours fait des recommandations au niveau de la CNDH. Mais sur le terrain, dans la pratique, ces textes, je dirais que ces sanctions ne tombent pas généralement comme cela se doit. Donc vous prenez la, y y le code pénal prévoit des dispositions qui sont assez quand même sévères. Ali Bouzou, euh, quelles sont les, les, autres conséquences euh, du phénomène de l'esclavage pour euh, des pays pauvres comme les nôtres Les conséquences, d'abord, les pays-là seront des pays non démocratiques, d'abord. Deuxièmement, les pays-là seront toujours dans la pauvreté, et soutenu d'ailleurs, et toujours il y aura des, des violations des droits de l'homme qui seront euh, toujours euh, euh, là qu'on va observer. Donc c'est vraiment ça les conséquences. C'est-à-dire on ne sera plus dans un état de droit si on ne fait pas quelque chose pour lutter contre ces phénomènes. Donc vraiment, voilà, en fait la réalité des conséquences. Tout à l'heure, là, vous parlez de, si les sanctions sont lourdes ou quoi. Quand vous prenez l'article 270, là, bon, définit l'esclavage comme un crime. Un crime, c'est des emprisonnements de 10 à 20 ans et d'une amende de 1 à 5 millions. Ça veut dire que c'est vraiment fort. On a vu, on a, on a eu des cas, par exemple, le premier cas qui a condamné quelqu'un à c'est-à-dire le premier cas où on a utilisé la loi qui a condamné quelqu'un c'était euh, à, à, Zander, c'est à 10 ans d'emprisonnement ferme. Il a été condamné et c'est 5 millions d'amende. On a vu un autre cas à connu... En, quelle année Ça, c'était, ça, c'était en, 2015, 2016, 2015, 2016, là. C'est aussi parage, là. Et en 2014, il y a eu un cas à connu où on a condamné quelqu'un. Bon, il doit être condamné à une peine de plus de 10 ans, mais compte tenu de son âge, il a été condamné quand même à 4 ans, quelqu'un sur la question de la Wahaya. Mais après avoir purgé ses peines, il est revenu. Maintenant, il a célébré le mariage normal avec ses femmes. Et puis là, actuellement, ils sont ensemble. On l'a vu la dernière fois, on a vu ses femmes à, à Donc, c'est vraiment ça. Mais nous, le plus important pour nous, le plus important pour nous, vraiment, c'est de condamner c'est de condamner. D'accord, merci. vous avez la parole justement pour, revenir sur les sanctions justement. Effectivement, je reviens sur l'article 210 en son alinéa 2. Euh, je précise euh, qui condamne de 10 à 30 ans. De 10 à 30 ans, c'est quand même sévère. le législateur a vraiment euh, mis en place un outil de répression. Mais si dans la pratique, les choses ne sont pas comme ça, euh, il faut revoir le problème là où je l'ai tantôt soulevé, euh, la question de notre système judiciaire, la lenteur de, du système judiciaire. Aussi, je, je, vais rappeler que le Niger a presque ratifié toutes les conventions relatives aux au, au, au traitement dégradant, inhumain, à récemment, nous avons notre mandat au niveau de la CNDH a été renforcé hein, avec la question de la traite. Donc euh, c'est comme si euh, on peut dire que réellement l'État nigérien a la volonté, même si quelque part on ne sait pas ce qui fait que dans la pratique les choses ne sont pas euh, telles qu'on le souhaite. Alors, Ibrahim, euh, comment davantage euh, promouvoir l'ensemble des droits humains dans un monde encore plus juste, équitable et plus humaniste Comment promouvoir euh, les, droits humains dans, ce monde C'est pour promouvoir les droits humains de manière plus juste, il faut que les organisations de la société civile en particulier dans le domaine, elle-même euh, soit, soit vraiment agressive. Euh, il, faut, faudrait qu'elle s'acquitte, il faut qu'elle soit une véritable société civile qui, mène son combat parce que les changements, les changements, c'est sur tous les cieux, c'est la société civile qui impulse, qui, qui fait la pression, qui fait les lobby pour qu'il y ait les changements souhaités. Donc il faut qu'il y ait une société civile forte, et bien organisée, solidaire. Euh, ensuite, il faut que, faut que les, il faut que les élites, les élites euh, fassent le jeu. Peut-être il faut un renouvellement même d'élite. Ce n'est pas, je ne veux pas une révolution ou non. Il veut dire seulement qu'il il faut qu'il y ait des responsables porteurs de changement, porteurs de valeurs de changement. Allez, bonjour. La société ne doit plus accepter un responsable qui s'accommode euh, de, certaines pratiques euh, rétrogrades et, et en disant non, en soutenant que c'est la coutume. Merci Ibrahim Ali Bouzou. Comment davantage promouvoir l'ensemble de ces droits humains dans un monde encore plus juste, équitable et plus humaniste rapidement Bon voilà, Ibrahim euh, vous a dit euh, en tout cas quelque chose dedans et, c'est ça. Parce que aujourd'hui, si on veut promouvoir, c'est-à-dire les droits humains, il faut que nous, sociétés civiles, en tout cas qui sont actives dans ces domaines, qu'on soit forts. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit engagés. Puisque vous voyez, je, vous donne un exemple. Quand on s'engage sur un truc, finalement, vous voyez les élites là au, pouvoir essayer de nous freiner euh, nous empêcher. J'ai dit en, 2005, euh, il y a des membres de Timoudra qui sont partis en prison parce que tout simplement, ils ont fait une étude dans une zone qui a été demandée même par les, par les chefs du village de cette, euh, de cette entité-là pour libérer 7000 esclaves. Quand il y a eu en tout cas ces programmes-là après l'État, qui a pris même cette loi-là en 2003, je vous parle de 2005, les revenus pour dire que l'esclavage n'existe pas au Niger, c'est une escroquerie. Donc vous voyez, c'est-à-dire il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit fort pour amener l'État même à changer. Mais Moussa, Mahman, rapidement, vos propositions de solutions, vos recommandations rapidement Nos recommandations, euh, je pense que la promotion et la protection de ces droits humains euh, dans le domaine de l'esclavage passe nécessairement par euh, l'éducation d'abord. L'éducation, pourquoi Parce que quand vous avez en face de vous un homme qui, qui ne veut pas se libérer lui-même, vous ne pouvez pas lutter pour quelqu'un alors que lui-même ne veut pas quitter son sort. Vous ne pouvez pas avoir de la pitié pour quelqu'un qui n'est même pas conscient de son statut. Donc, la première chose à faire, c'est l'éducation. Et la sensibilisation. La sensibilisation et prévoir des programmes de développement. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le véritable problème chez certains, ils pensent qu'ils dépendent à vie du maître et qu'après le maître, quand des associations comme Timidiria vont œuvrer à ce qu'il soient... Euh, libéré euh, de, de, l'emprise de son maître, qu'est-ce qu'il deviendra Il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire Comment il va affronter l'avenir Donc pour ces gens, je pense que des programmes de développement, des, activités qui puissent leur permettre de comprendre qu'ils sont aussi des hommes, ils ont toute la capacité, ils ont toutes les connaissances pour être comme leur maître en fait. Ce qu'il faut retenir au Mali tout comme au Niger, plus d'un siècle après son abolition formelle par la colonisation, l'esclavage résiste toujours à l'acte juridique et politique qui en principe devait conduire à son éradication. Merci donc Mokhtar, c'est ce qui met fin à cette émission qui portait sur l'esclavage au Sahel. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ali Bouzou, il est le secrétaire général de l'association Timidria et secrétaire exécutif du réseau G5 Sahel de lutte contre l'esclavage. Maï Moussa Mahaman, il est le chef de division à la CNDH au Niger et Ibrahim Agid Baltanat, il est le président de l'association Temed. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme de nos radios partenaires. Merci et au revoir.